mais rek da ngay yàq club. mais bi ngay wax ni tu peux pas vouloir une chose et son contraire vous voulez de la justice allons-y dans la justice maintenant vous pour c'est-à-dire que mënoo leen bëgg justice ba pareil dans la foulée ngeen ne Macky Sall kenn waru ko même bu faites def na Les kenn waru ko topp mais il faut sacrifier des gens euh, mais on a dit qu'on vient pas le plus grand regret euh, de Macky Sall moi, d'avoir poursuivi justement Karim Wade si lo xamné de mënul un franc. oui Karim jël na donc est-ce que euh, sur régime bi exemple pour poursuivre ki n'a xam le président Macky Sall quoi qu'on puisse dire nag su nekkee amul ben preuve palpable afin est-ce que. du ñu yóbbu si benn bis répétita. non non maanaam li xewoon si Macky Sall. xalaat fi si nguuru Bassirou Diomaye yow ñaari affaire yi bokkul. non non non non non Macky dafa ñëw poursuivre Karim Wade. ñaari affaires yi exemple ñoom su ñëwoon poursuivre ñooñu Macky yi. déedéet ñaari est-ce que duñu risquer. déedéet déedéet assister. defal defal ndànk defal ndànk Serigne Fallou. da nga nekk di jaxase. Ah, non non non je regrette da nga nekk di jaxase ñaari affaire yi bokkul. <laughs> non non non non may wax rek pour les sénégalais yuy seetaan. non c'est une question c'est une question non je regrette je regrette. sëñ bi Macky loolu bokk na si ay regretté le fait que. mu pousse Karim Wade non may ma rek si toutefois euh, Bassirou Diomaye Faye mu euh, jël si même temps kii. may may ma may ma si je suis je suis désolé de le dire. allez-y mais tu es en train de mélanger ñaari affaire yu bokkul. allez-y maa ngi pour le respect des Sénégalais yi c'est hmm. l'affaire de Karim Wade est loin d'être l'affaire de Macky Sall ou bien de son régime tu sais pourquoi hmm. Macky Sall lan la topé en Karim Wade enrichissement illicite détournement de deniers publics c'est pas la même chose Lolo, enrichissement illicite tu es obligé d'aller fouiller partout voir voir lu mu yu parce que yoyane a dafa loubal Khalis. mais l'affaire de Macky on parle de crimes contre l'humanité voilà de haute trahison maintenant damay njëkkee ci haute trahison bu que haute trahison dañuy revoir les contrats pétroliers et gaziers qui ont été signés par Macky et son régime dañuy xool ba par ba fa ba xam ndax def na haute trahison ou pas. mais Macky l'a expliqué non non déglu ma. non enfin euh, depuis ce matin yaa ngi insisté yaa ngi insisté si contrat yi depuis ce matin. mais Macky nee na c' est évident ñu am si as parce que exploité guñu ko. dama dama dama exploité nag au fur et à mesure dañu ko moom suñu bopp. dama dama ne dañuy xool ndax les contrats pétroliers et gaziers qui ont été signés sous le régime de Macky Sall respectent les commodités. Parce que parce, qu'il y, a y a un article pour protéger le code minier. L'article 25 de la Constitution, hmm. comment les ressources euh, euh, naturelles, hmm. carrément et clairement, les ressources naturelles appartiennent au peuple. Elles sont exploitées. Elles sont exploitées au bénéfice de ce peuple-là. Maintenant, en cas de haute trahison sur les contrats là dañuy revu dañuy revérifier les contrats là bu féké ñom dañ ko signé ci ay yaama ne pour son propre poste parce que on a entendu aussi Sir Clédor Sène diko wax ba légui kenn woowu ko il parle il cite des entreprises il cite des personnes Clédor Sène. Sonko mom doon na def révélation moo tax ma la moo tax ma la bi sëñ bi may ma la bu fekkee Macky Sall dafa de haute trahison sur les contrats là nañ ko top. maintenant su ma ñëwee les crimes contre l'humanité fi ma ne ni bokkul ak ñoom lu topé en Karim Wade mais Macky Sall la le malheur qu'il a ñi filmé on ñi filmé woon yëpp ces incidents de mars 2021, et ñi filmé woon yëpp c'est des jeunes sénégalais ñu taxaw seen balcon di filmer donc ils ont les preuves <laughs> voilà. Là, on n'a pas de besoin de certaines enquêtes. encore une fois. Jean-Nomery, euh, Macky Sall dirigeait ou quoi quand même Non. Police, Macky Sall dirigeait ou quoi gendarmerie police. non non enfin non non. non respect pour nous. général Moussafal respect pour nous commissaire Sankara. qui nomme les emplois civils qui nomme les emplois civils et militaires. c'est pas Macky Sall non, non, non, non, non, non non non non non non pas amalgame. non non, non, non, non dire que Macky Sall dit que dirigeant, dirigeant la police et la gendarmerie, c'est faux. Je regrette de le dire, mais c'est archi faux. Macky Sall, c'est le chef suprême de la nation. Il nomme les emplois civils et militaires. Non, mais Damane, les colonels que tu as vus au niveau de la gendarmerie et de la police ont été nommés par Macky Sall.

Macky dirigeait la police avec gendarmerie à, à, l'époque, c'est faux. Aboul. <laughs> Mais Aboul, je regrette de le dire. Donc, voilà. Macky avait une même mise sur Lolo. Moi, je parle de ce qui est logique. Lolo, c'est évident. C'est analyse, c'est analyse. C'est évident. Euh, ce qui est logique, moi, enfin, Macky le corps yoyu nonu dafa fal bayi dama tu comprends nga donc ce qui est logique man parle de ce qui est logique madame logique logique logique, li xel xalaat mooy Macky waru am droit benn euh, mainmise si euh, si si yooyu de corps mais nag fii Sénégal wala fii si Afrique suñu président yi tàmm leen di dugal loxo par rapport ak fonctionnement yu euh, yenn yi. sëñ bi mais ce qui est logique en fait. sëñ bi Afrique y' a pas de démocratie en Afrique xam nga lan moo am Afrique est ce que bëgg nga xam lan moo am Afrique. Hmm. c'est des régimes hyper présidentiels yoo am Afrique. il n'y a pas de démocratie en Afrique démocratie vous arrangez buur y appliquer quoi? vous arrangez les buur Quand quand il me dit que Macky Sall n'a pas dirigé la police et la gendarmerie c'est faux parce qu'on a des régimes hyper présidentiels on a trop de pouvoir on a donné trop de pouvoir au président de la République Macky Sall il coordonnait tout le monde il dirigeait tout le monde benn généraux générale général mënul jël ndogal sans consulter au consulter au préalable l'exécutif palais sans pourtant euh, euh, palais yéegu ko moo tax je regrette fort quand il dit que non Macky Sall sidara c'est faux. non pas Macky Sall yëgu si dara. non mais loolu nga bëgg loolu nga wax ce que je n'ai pas dit. mais loolu nga bëgg wax. non Arfan ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. dama ne Macky Sall en réalité ce qui est logique moi fal ay nit bàyyi leen fa dem euh, euh, gérer l'action du gouvernement. ça ça n'a jamais été le cas en Afrique mais di dugal loxoom si li moi yow moo analyse mais ce qui est logique là wax est-ce que loolu. Arfan analyse ak ak analyse droits humains est ce que l'on inculper le président Macky Sall. la question mais moi, ta suis là le malheur qu'il a ñi filmé woon ces événements là c'est des des vidéos amateurs. sénégalais yi si boppam ñoo ko filmé. mais Macky nekku ci terrain bi. bo démé ci vidéo xam nga la Karim Wade. mais tout d'abord abord man damay ñaawlu. dëgg lu fekk policiers yi ak ñenn ñi di brutaliser askan wi loolu. mais on l'a vu. je dénonce cela. bo duggé YouTube ba légui ma nga fa. si le fameux numéro 9 tamit dama koy dénoncer état d'autre état d'autre <laughs> c'est le malheur que l'ancien régime a eu bokul comme Karim Wade xam nga Karim Wade mbirum xaliss amo vidéo sénégalais ñu jël vidéo di filmer xaliss Karim donc fi les preuves sont déjà là. <laughs> voilà sénégalais ñu jël vidéo di ko filmer xaliss Karim pour ne pas qu'ils non xaalis Karim Wade mo ngi ni la ko dañ la ko neub la ko qui. mais en matière de crime ou de haute trahison les sénégalais ont les faits Bon de YouTube tu vois des policiers en train de de de maltraiter des sénégalais gis gis des médias étrangers ont même ces vidéos là France 24 toogul fii di décortiquer ay vidéos yi xewé Sénégal wala amul France 24 toogul fii di décortiquer ay vidéos yi xewé Sénégal bu amulee ne ma am je crois que tout le monde a vu ces vidéos là Juan Branco collection wu euh, ñu euh, il ay preuves yobou ko pays je crois que le film là a été même publié dans l'internet. Le film de Juan Branco, Boubou de ces je crois que les Sénégalais l'ont partagé à longueur de journée. Oui. C'est clair. Maintenant, moi, t'as c'est le malheur que l'ancien régime a eu. nous c'était flagrant. Sénégalais, ils ont filmé à base de leur téléphone.